auditeurs amis de la FADA et je vous souhaite la bienvenue à la FADA, produite par le studio Kalangu qui pimente vos week-ends. Je suis Samira Rafi pour la présentation de ce soir et le thème d'aujourd'hui porte sur les jeunes et la mendicité au Niger. Comment lutter efficacement contre la pratique La mendicité est qui, malgré toutes les luttes menées, continue de s'ancrer dans la société nigérienne. La plus à déplorer est celle des enfants et de surcroît euh, des petits dont l'âge ne dépasse pas 5 ans. Selon un article publié sur le site du studio Kalangu en date du 30 mars 2022, le phénomène est interdit par la loi nigérienne sauf pour trois catégories de personnes pour lesquelles elle est tolérée. Il s'agit des personnes en situation d'handicap, les victimes de catastrophes et les personnes âgées de plus de 60 ans, comme le stipulent les articles 179, 180, 181 et 182 du Code pénal. Ces mesures juridiques ont été appuyées par la note de la ville de Niamey, entrée en vigueur le 1er mai 2019, faisant cas d'une relocalisation. Avec euh, toutes ces mesures, le phénomène continue hors des frontières du pays. C'est ainsi que les autorités nigériennes ont annoncé avoir rapatrié plus d'un millier de Nigériens mendiants essentiellement des enfants et des femmes du Sénégal. L'annonce a été faite dans un communiqué diffusé le vendredi 25 mars 2022 à la télévision publique. Le communiqué disait, je cite, deux volos ont été organisés le vendredi 25 et samedi 26 mars 2022 qui ont permis de rapatrier dans de bonnes conditions 1053 personnes dont 418 enfants, 413 femmes et 162 hommes, a indiqué le communiqué. Alors, Comment lutter contre la mendicité au Niger Qui doit s'impliquer Pourquoi le phénomène persiste-t-il Quels risques pour les jeunes mendiants Eh bien, les amis, la réponse à ces questions, c'est dans un instant avec nos invités de la FADA du jour. Surtout, n'oubliez pas, tout ça, la FADA, c'est de la chronique, de la musique et la rubrique, et tout ça en 35 minutes. Mais pour commencer, je vais laisser euh, et Mingue Bonkataray irwan hangan kai se aiwa ma da ti amuru mun sumaila ai mantikala koni pratu goite no Kuni pratu mo mantikal satono kan wa humbo ngorera kan ha goido borai da zan kai mazada Ajar gair gwanda. gonda assalamu alaikum ai ma yogiti abdullahi muhammad rawlatu association arda yeso donc euh, assistante chargée à la mobilisation de formation et qui était weborai de Wendiaisi. Niger Gabinde. Mayo Gati Moulay Lamine et je suis l'assistant chargé

To Rachida Bizodei Goyek c'est une habituée de la FADA. Présente-toi au cas où tu auras quelque chose à ajouter dans cette émission. merci bien. Donc, euh, Aïma Aboubakar Bizo Rachida, Aïno Kati, euh, cadre Kansigini. CCNEJ à secrétaire permanent. Toi, Garan Koubaini et Wanonkun Fadara, surtout euh, sur cette terrasse de l'administration du studio Kalango. Je commence avec ma première question. Je vais commencer avec vous, Monsieur Seydou. Que pensez-vous du phénomène de la mendicité euh, pratiquée par les jeunes Nigériens Il faut n'engager To dai irgo garan studio kalangu fonda gwai haya ga bin sara. Jingarara no ni gudu dotti kayan kakaran wai bararan sai ko jingarara mai alborai wo gabai. ni kaka ya yi wo kwarwa ni fo na gara idin labuwa ni bore no kuli mine wai ingai goga na haruno. wodi momandisite form fonome zami fo se zama yi wo aya kan ine barkan goga na haru da hindo na ban aga hingan warai aya din no igogo goi da ka kai jingare ra bore wai gogo ci koi ne goga tabbatan di i 90% men da men yi manti nigeria yan no manti zankayan man disite mono man disita agwa arabo re kan yin goka ga koi gugoro dottije yan no kan ngai no goga zankai dan im koi gite non kul hare ni gome yadin ga wani sene gone do ran him ga globalize no ga globe no ima kul da im sine zan kai hinno nya da baba yan gogu gor kin ga ino ga zan kai di koi gi sambula bo gunda kurara ga kandai igi haya no borai kai ga candise zangu hinza hinza zari wi e wigi banano hal ko kya ga koi fa ko kya mbo kalma yan ni ci si ne chauffeur yan no danginga no gogya kubai koi din candi mm. wala miskina idini gi candi eh. kubai koi yan no boredin yan banda hankuni dukan illa bai wo kan yan gogiri idai gogo makwabta kan idi kan ne wo fatauki no inga yin bogo ga fatauki me wallahi haiwa men dame ar masu ma fa ibo bai din men dame manti nigerian yan no fa ya ga bin sara amma manti nigerian na no labu hinka go no kigo katin gai borai gadan ne wo irbun bo da nigerian ai ramu afoye mu ite professional yan inga ino before borai din yan dum kan ididin

agbin sar gumu agbin sar ifo se zam se ir niger ir tarbiyara vraiment ir suwadin bai din amma hunkun zaro haya kan irgo gidi kadai iyaka in ga ci ifo in ga kan son hunkun zaro borai ba in ga mu koi kai ga barkar gadu ga bisa mu koi ginge gabo ka ginge goye te gudunge alhako zamse idi kan fala bor mu koy nimin kamba sallihin nimin no nim da nizibara Nkunzaro, si tu vous regardez un peu, il y a des mendiants aujourd'hui qui sont plus riches que les fonctionnaires. Plus riches, parce ils se retrouvent dedans. Ils savent que aujourd'hui dinga kwege mandier, hankinga gudu zara, nga isidwa dinga kwege pelri, wal dinga kwege geddi borfo kwara, wal mo dinga kwege borfo se. Ya dinga Nkunzaro, boraidin, igo gir Niger masara. Zamu Nkunzaro irdi haya kan te girbi bandaidin kan ine nigerian yango senegal kan inigare kala irhino na eh, zirgida da kwai gi sambu ga kande aran bai hawi no wadin imine inge wasin da goy kul kadai kan kan yi di kul aino aran bai ka hawi no irla bose zam niger deja burai sabai a ga sabai dir ko manti senegal hinna no wani duma gogite non guyan bob gon kan wani duma gogite irgo ga mare ne zamir goga ma nijar ra kan kwara yan gono kan ingai wo kwara dino din koi ina da mizin bono ni sidi bora kuru koi ine imini koi e, senegal dai ikoi kuduwaru dai ikoi manga da manga yan dai mauritania dai wai ikoi ga barkar ga nuri keke ina haya te fatauki aran bai mu da iya da fatauki a gwanda gabi imin ga haya bonza

matkan bore gace almajiri bara almajiri bara almajiri bara wo kalma larabci na dangane wuta almuhajir almuhajir mu kalma ma'ana a manfata kala hijira kan irko da sallallahu alaihi wasallam a ti makka daga kai madina kan an hijira din temo ina kubainu an tanke yau e irga bai islam tare tarbiya mu yau iga beran dunu hausan keno gane kan faham hadiso ga gane ba kun ka allanka don ka hankan ma'ana ne zanga almajiri ma'ana in gano gati yau yau kan ta ifo kan na hijira gafin nan gukan addina si ga tabbati ga koyi nan kan addina ga tabbati in gano gati hijira ma'ana me barka ro kan gote son manti almaji raino zama manti no bara koyi ceci manti addina no bara koyi dondon ha ki fatauki no wala manti nigene nur ceci no. don aga bori bore mu fahimta da wadi me wakan kan gote son manti almaji raino zama bore din kan gogu windu kwarara ira a folon folon no nigin ga ha minin si igo chow wala a folon folon no nigin ga gani im qur'an chow ni si imwana donc wadin ga cebe asinda alakan da aslam tare asinda alakan da bere checiya wato din mu za irkaye kaye wate dine almajiren ka kwarara manti no alfagno ka kwarara wannan kwara bore zakan lokacin da addina man amman babore si kwara bore no ngi je sambuga kate imdu yido da addina samsa hal alfaga sa. kwara gudu addina kwara gudu bere konya ya dunu addina karga sai labari me kai ya buyo banda sahaba yan nu fata ga koi ga andunya ce wanda addina iru a Niger wo ukubat bin nafino iru ko ja sahabu no kata isi addina al kata a la labuhara a travel le commerce transarien donc har no kan boreno na addina Sambu ga profiter ga haifote da donc bore mu faham da wadin si. sai ga barkar kan irgodi da addina Thomas de la voilà. Suite à cette réponse, Irg Filona Mr. Dondissé pour euh, sa chronique du jour et on revient juste après. <laughs> Mamar Kassé, Yakuba Moumouni Denke, ça va bien Voilà, alhamdulillah. Déjà, il femme Baykiti Yakuba Moumouni Denke bi, émission bon. On connaît qu'il peut permettre Niger jeune et Koukan Goga Hanganisse, il me baye de à Ana Sintinda, Doudou Neka Ana Sintinda, il m'a semblé de A à Z. Il mission on a, on connaît émission bon. Nine c'est le liarono Sintinga Sensi. Et au Garma, kulga bon wara dan yara di kisin tinga ngene mhm. gaba nam samburse kaina fo mu bore fon kandi imam ya masilmila masilmin kenga ilore wa masilmila mabade aroi alla fatamata jallo e holiginam e halanam e nanganam la wala alla wani wonon sintinda to sai sa wata di kina ni gisimanka dira asaban sai sa kai kubori tak dono Mugono gisante Uleni sam Sol kella te zola din karfo alo leli yor banda ifo no aranka herse le leli ng banda ngitete sukaba lady sukaba lady oh kandi dono kel ah kama kama yela hey yala silame golle fu golla no ne ego hebola di ne go dem seywa eh, eh eh sudu mariyata mbi mbudu mbudu go bella jowi kala kala hmm. kanga en wodinte wodi sna se kal messager de sahel ai john fatima ariko da adams junior mm. i non kasɛti fo kasi le message du sahel eh, 96 orano mm. i na 96 fm benanta mm. après wato dimbo kuning fonda gana mm. o Eh, gor tradition fati koy eh, adam su gor regay jon mo koy za pong chow aran kul aran fatay bor kul o oh, ini ni decision te ay wo yssfn o oh, e go repete mm. e wona premier album mm. e go saye festival fogo te nuya typique kudugu burkina a 100 km de waga jine no di no festival de kir koy bumbo sajo rani ko kizumende mm. sajo rakini zumendi a partir de minuit dengisino kalahano kan irgi joué il avant dernier morceau sintina ke e eh, don ngut koy yar ze ku ir koy mayava ah, ir koy mayava ken he eh, Allah kul jama e jinda ban no jama tun kai public ko kuno tun ke kene jinda sambu public no kam man gor kalete 1h30 minutes nugo gudin kita tan de producteur hinka hollandais fo français fo bo bor kurgo cecingum kayedo oh, so ke ni sambu konde mote journaliste o fonda di no di sindu fonda te fondo ine mi ka ko ara o ne ayo dama ayo kawyes no kuba no tese e moni jerebe ni 8 km de kudugu igi biya igi we ma journaliste nga ansar hinka kaktere ni ne toso ngema saba mene sambo ene sambo fransa donc guinée c'est patrick lavo mm. en 97 no ri koyno de 98 e kwa won festival da kasigine nu atypique de langon mm. bordeaux jerga 98 mm. benantaga wato dine directeur fogono gono kasigine i bourguignon ne centre culturel franco nigérien anengin album au financé album bo dimatani ginase note denke denke denke denke a titre marjono o 13 titre e ite denke denke kayna clipoté mm. i sambu france image mm. il kaki image cheneo de suleiman mamman mm. tele sahel iye mm. te suka killo maudo ngali o denke denke daro denko mida ai denke den allah na hidi yala silam ay danke danke min du na yiɗi to ay danke danke allah na yiɗi alasilame i amadure an wana haydure allah nani i suku jokolle toy won suru surubaɓe naati seenedi seenedi donc di ko woni o kulu misali ga album sintinarana go si irsi bonne song album sintinarani irgo ganda iri yekkete lelliyoro mm. do eyyekite ara fulbe allah kubariya yalla mauni iyalle sure sure no sure mbosa ashiri fulbe na dudi salne e pullo fuyo pullo ashiri fulbe wodi ndanga fulange wona eh, wona dum dumay mm. dan fulamai dumay ba mm. dum filan dum filan dum filan dum filan mm. eh, ne wada be ne jallo ne sise ne sidi be ne eh, wodi dumay ne kaka cera oh, kan den ki den ki no misali ga mayodin gana dai no te kartone gumo kan bora kulki diya kalina idan den ki den ki den bargino go eh, yakubu dai mamar ka sai gonda album taci album taci oh album o oh, sintina wono denke denke no ihin kanta itte ala tumi ihin zanta itte on va voir ça wallahi niger labo on gasi ni do ne wori singi toyme to wo ke ci bore sede ngiti hayo hane asin fu mutugo izoki ne sidonu modonu nemeno iro irgene aranse bye bye Chers amis de la FADA, nous sommes de retour et je vous rappelle que nous sommes au siège du studio Kalangu pour parler des jeunes et de la mendicité au Niger. Comment lutter efficacement contre la pratique et le débat se poursuit avec euh, nos invités du jour. Je continue euh, avec euh, Moulay. Alors, quelles sont les conséquences de la mendicité sur la, sur, sur la personne qui la pratique, selon toi Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Les conséquences de la mendicité sur les personnes qui la pratiquent, euh, si je pense que c'est assez visible. Hein. Quand vous regardez aujourd'hui, la mendicité dont on parle, moi, je, parle de, je prends deux aspects d'abord, deux aspects. Parce qu'il y a la, mendicité que nous, nous connaissons depuis, et il y a aussi le nouveau phénomène de mendicité aussi qui, qui prolifère, qui prospère même, si je peux dire. Voilà, donc qui devient un commerce, une activité à but lucratif. Quand vous prenez aujourd'hui les jeunes, les, les gosses, les, les enfants là, les, les bambins qu'on pousse à la mendicité aujourd'hui dans nos villes, dans les grandes villes, vous voyez que c'est des enfants. Vous allez voir souvent un enfant de 3 ans, 4 ans. Part de la base d'abord. Quand vous prenez ces enfants-là aujourd'hui, ils auront quel avenir Ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir positif, bien sûr. Donc les conséquences, c'est que ces enfants aujourd'hui, vont devenir des délinquants, des voleurs. Ce sont eux qui vont encore remplir les prisons. Si c'est dans les régions reculées, ce sont eux qui seront engagés encore dans le terrorisme et aussi dans les réseaux de narcotrafiquants et autres. En tout cas, c'est cette couche des pauvres-là qui n'a pas d'avenir, parce que moi je fais la différence entre futur et avenir, qui n'a pas d'avenir, qui dans le futur aujourd'hui va devenir encore un danger pour cette même société. Vous voyez, moi c'est un peu ma vision de, des conséquences de la mendicité. Merci. Nimbinde Akibo de CSUNJ. Dis-moi, euh, quelles sont les conséquences de la mendicité sur ceux qui la, pratiquent Pour répondre à la question, conséquence c'est quand barkar yango a du bank borakan pratique ga tout d'abord bora adon fal ceciyan nin kan zan zan fal aigi mil kan boradin dato jiri kan igi hinkala sa muka ami jere amte fami koi boradin asinka asinka goyo din gasani matka himanda donc irgo di kan sangare irlabo borbo ba zankai kan gotun presque dirne statistique la sabo on peut dire que surtout dans les villes 2% la, des enfants aujourd'hui sont en train de laisser l'école et rentrer dans cette pratique donc boradin kan go c'est déjà une part qui est perdue pour le pays igite bankai yan ditun komboro wana cida ditun gaino warga di kan gaino ga terrorisme o rejoindre wali gaino ga fure kan isigoi hanna fu kutte kal dele kans kal dele kans kal zaitarai kal hay kayan si manda kono donc bore de te bankai yan da l'avenir igite bankai ga hinka madori labo se im kai goy ir labo mu du ko digina ay sabu ga shida ni mo binde um ne dai conséquence kan gihinga di mali site wani zankai bari kan guga te bon eh, zankai da sha um, matkan boro na ci da zankakai kai nai kan gwanda igu itace kan yan igu gudon danan di ambasallayan zanka yan no kan zahun kuna ine ise kan sandan warayyan manti talinu warayyan manti talinu aran gihinga ba ga te gwai aran di zanka wadin yan ça

Arendi di kan Fata fatta fatta sentir verto dira ayo yakin hinna ite kai bina sara. zama zan dini son igono deja haikun no nyanga kala barkare ya ngai mo kan hala tonton ine bomba a retardement Haikusi kusi isin de tarbiya isin tarbiya al silam tarai wane tarbiya kigi him gudu societa ga societa bumboda valeur kangasi, agugi agogi perdre ce qui fait que generation wadin wo har dai irman tun ga kai gwamnati mi kulu generation wadin in sacrifier complètement asti haifu hannu kwai ne su buka ina irmu tun irmi inga kubai da adda wali inga ino goborai kubai fuwaira goborai gargabi ifo no te zamse iman ga iman mata ke kise antaran di wadin yan kulu consequence yan no kan mandicité barkar yan wadi ni aga kan ir labo a long terme kay ir, ir labo jin isiga guna ga highway sonda akan de doka tirarin kan da tirara ine kan igi hinga tolere igi hinga igi bisandi bor hinza dumise bor hinza dumodi ra ane bor ine victime de catastrophe to terrorism gono inondation gono lu bun isambu amhaya hauzu akan exception ya Aina na irko exception ay dira bor fos profiter ga hayo zambar kan terroriste ni village kar il catastrophe nomi insécurité catastrophe. a insécurité. a profiter de situation la loi lui permet d'être mendiant la parole tout de suite je voudrais donner la parole à Raoulatou Abdoulaye dis-moi selon toi quelles seraient les conséquences sur l'image du pays Assalamu alaikum euh, selon moi conséquences est vraiment sur le pays tout d'abord agir Niger au Imago Sarah. Niger hunkuna zabor Fata à l'extérieur. Aik que les hamburgers Algérie hein, de hayo yandai Niger Benga modi Niger bay zaine Nigeria Igwe di de bar karko. Sino zabor mor kaina dun koy annasare labu Niger kadai ni hamanga no yadi. Wali imnen se Nigeria. Di koy gibay nigamo Imneni se a aran kwara din kan gwanda harai kan sin da hari problem hinin ni ci ni se. istini si haifo da positif ya dinga bar karyan wo wuka ga situation a grave nuno irgo ir hinaga kangina irmir labo image bel image ka tarai irmir labo gine hanne ka irmir tarbiya ka imir berandi labu wane ramat ki bor labu fo iz berandi amma bar karyan wo go kaga haya dokkoran da kwai ne giye ga e fare reduire aneya kun ni dine ni sai koce a sindi nan kan nigi labo nigi fur indu nyara kan di ne ni sen benin bor wal togo bor wal im donda ifo se za kan bor yanno kan igi bai da im tunu im cecin gai wane igi bai bina kan ba bor fo laburani kwai manti ka kan nigi kan basalla no ikka ga cecin gai bon wana no gir ceci an kai igi igi gwai im te imin gai labo katare mm-hmm. ifo se ruwan nigeria singita yadi gina ginano ya consequence 50 ago bar karyanwo consequence ra kan borai gidi dai no zanga bar karyanwo facilité no ai wai don gici tibun boda ai mine bar kar ko yedin di hin goro gil réfléchis de même gidi kan wallahi man ba facilité no ko en ihin kanta ni du noro asteni se albarka ba ni gwanda noro ni gwanda arzaka gun ni sa wa ni fundo se ni si bankare ara ni si tebor hando ara ka ni mu bubor fo manwa ai sabu ni se gaula ai ye ka aran saidu son aran dionga talino sommes-nous responsables de cette euh, situation gumo a mahalika ka waran gagina gone ga faman rashi da tonton ase yango di kan da sanno kuli gine alsilam taraino kata silam tara kan kanda kalkan a kan yan him ga an sharti yanci kan ago sharti ra bai kan din koy ga warai din dun waro kan ni wa in jurne warai ya haram ni se zanga bor an bo kan ga warai si ila pour in jurne kul warai ya harama se a supposé din du zangun da waranka déjeuner wai taki zari curkusai petetar waitaci almari waitaci wallahi din ye kai gan ware afa di men da mai haramno no yani ngaran di sharti yan no gona me irin muke ka question o ga som nous responsable tous les nigériens responsables bore men da me responsable sintinai bun go ngai no gay. alfagai mentena gwamnato do hare ngai no gite ngai mo talikoi hinkantai dokano gona me kan ware yango matki go gate kanna haramandi am doka dan me alfaga jarai kan na ka o kan yan ego naran se sigi borai faman di kan tu di an ga association islamic kaidin din ngay bon no wajibo goyin im borai faman di me maino him gunware maino mai him gunware do ku fona him gate da borai din banda alfaga kan si kunjera me kan go kauye ngay no gi sambu par trupo trupo kan yan borai di ga impose se no som ki ga kate versamano talibi zo ga kate talibi zai ni diki ne wai kaurayen nogozi bai ra paske di kambo alfaga ga kan bai hihim gama hal wai iman wanwar kana iman ka ta gaise me ni alfaga ni kir koy ne nim koy gubore ce wandi alqur'ana da hadisai aran di bore di mohim burir koy im hayo wai bor dal bor dotti jen gon kan hon kunin ga wai ifar haywara ngai wo isukoi duayen duwayen yanno donc duayen ai dini inga no gu chauffeur yan engagé 1500 no miskin danga da na fo ku bai koi taji foka a sisir kiyo bai igine koi filana do inga no gu ti bayar de kiliyango ti pay 1500 zangu hinza amin no chauffeur aram koi gi windi no din zankadin zano din zaini go ga forme dina no waranka da gondin ga dal ga na ga dan da no kan bara am san farango am poshe Merci beaucoup, euh, Dis-moi comment y remédier en bref. Euh, en bref, moi je pense qu'on peut y remédier si euh, on adopte deux, deux, deux voies, surtout celle du partage et celle de l'éducation. L'éducation sur toutes ses formes. L'éducation à la base, une éducation de qualité irkoise manti juste boram sak sambu im koy lokol bayar do fanga me di kan classe go to im de igo chawandi ha bor kul kan amana ni no amo bor fo chawandi irkoise hinne qu'il ait peur d'Allah et qu'il le fasse bien et surtout le deuxième aspect de l'éducation je parle des formations même les moi moi pour moi je reviens à ce que Rachida a dit cette porte de sortie qu'offre la loi pour moi elle est mal placée même la personne handicapée est un être humain. Pourquoi la personne handicapée doit, elle, tendre la main Moi, tendre la main, c'est comme je le dis, nos parents, nos grands-parents avaient raison. Wallahi, nos grands-parents, ils préfèrent mourir de faim. Ils des abouno, ils am ka fatigi bor et puis ils i gunware ngware hinne ni gunware ngwaro mo asibisi ngware hun kun subu matkul kagate agate cinga c'est mon avis en tout cas. Merci beaucoup euh, à toi. Maintenant, faisons une pause musicale et on revient juste après. Niger, comment lutter efficacement contre cette pratique Parlant de comment lutter efficacement, euh, dites-moi, euh, surtout toi, Rachida Bizo, euh, comment faire pour en finir définitivement avec cette pratique En bref. D'accord, merci. Pour en finir, génération Weneo, ils sacrifié déjà. Parce que Ibanga a dondangandi, Ibanga chaba sekan, dinga kambu salle, agwasi, agfala, nim targete nuru, nim targudu nuru. Mais wa kan yango ka pour que irmi eduke am bori c'est vrai que wani yan irsi hinga irin fanda inga imbo yadin irsi hinga fandai yadini ga da irgi hin da irgon da hina irwo santra idini igi feri nan kulu e igar itila sandi imu koi santra idin ra imi chab ifo ti labi tare ifo ti labi se chansayan ga imi bora don don ngandi goy kan da ag hingin goyote kara ag hingin bonkatare. katare ay sabu Rachida je vais finir euh, avec toi Ibrahim dis-moi Qu'est-ce que vous faites au niveau de votre structure Surtout quand Arango, Angobor et Wazu, Arangi, la Kalechendi, Adina, bon, il faut Narango, Gete, Aranwana, structure de Harry pour que Imsi, Mandisita, Oliye, Ingand, Al-Silam, Tara. Donc, euh, il y a un cas eh, au niveau de du kwalank donc Matkaye ya tiara c'est Malganeno no kanga ah, zanga Kunja Kunja margu et puis différence au kango er wono kungiya c'est qui vont kungiya no kan alpha na amargu donc ça définit un peu déjà là où nous partons wadin ga tabe nan kai ruwo rugo irniago quoi. ra ton ko yango no entrepreneur yango no ONG bumbo igono Kang Farm irgo yoga kan faham irni ya accompagner donc couche sociale bara kullu ir

niman teje gabi niman da hayo me irko ni jaraban da zama mission no anin no noro nin kan goni se il faut que nimu te certaines actions O ome parce que irko gane lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun irko ni aran singato zanga addina hanna hanna ga kala daran nu hanka aran gaba irko be adamai zumo agwa hankan adamai gaba pour aboutir à quoi alors que tu as des autour de toi donc les ils doivent orienter leur fonds dans l'éducation de la société là on ne peut jamais en finir euh, avec ce débat euh, on va laisser la place à Olivier avec sa chronique Les amis de la FADA, chères auditrices et auditeurs, bonsoir. La communauté musulmane nigérienne, tout comme celle d'ailleurs, est presque arrivée à la fin du mois béni de Ramadan. Dans la chronique de ce soir, nous avons fait la compilation de certains comportements remarqués sur les réseaux sociaux. Comment les internautes d'ici et d'ailleurs ont digitalisé le Ramadan 2022. L'annonce du début du mois saint a commencé avec une confusion sur les réseaux sociaux. À la veille du premier jour du Ramadan, la plupart des Nigériens ont été informés sur les réseaux sociaux de l'apparition de la lune à Zender, chose qui marque le début du jeûne musulman. Partagé entre une fausse information ou une vraie information, il a fallu le journal de 20 h sur Télé Sahel pour confirmer le début du jeûne. Ensuite, il est constaté ceci. Certains internautes faisaient les décomptes sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire chaque jour, ces derniers publient le nombre de jours restants. En tout cas, ce fut du bon boulot de votre part. Pendant ce moment de Ramadan, nous avons ces internautes qui partagent aussi des versets coraniques avec leurs followers. Ce sont les internautes que moi, perso, j'admire le plus. Enfin, il y a aussi ces internautes qui partagent des images ou vidéos religieuses avec les followers. En tout cas, chers amis, auditeurs et auditrices, pendant ces moments de Ramadan, la plupart des membres de la communauté musulmane ont développé de bonnes habitudes pour se rapprocher de Dieu. Et vous, dites-nous en commentaire sur nos pages Facebook quel type d'internaute vous étiez pendant ce mois de Ramadan. D'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. Bonne fête à tous. Bye bye. Merci beaucoup Olivier pour ta chronique euh, du jour. Merci à vous chers invités d'avoir répondu présent. Merci à tous ceux qui nous ont euh, suivis à travers nos 52 radios partenaires partout au Niger. On se dit à bientôt et merci de rester fidèles. Continuez à écouter le studio Kalangu pour vous informer. Bye bye.